Quand vous prenez en termes de, de vitamines, vous avez le moringa est riche en, vitamine A. Et la richesse en vitamine A fait que le moringa est un aliment de référence, beaucoup plus que euh, ce qu'on considère comme référence en la matière, notamment la carotte. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on demande euh, quels sont les aliments riches en vitamine A, on a tendance à voir la carotte. Eh bien, quand vous comparez le moringa à la carotte, le moringa est beaucoup, beaucoup plus riche que, le, la carotte en, en vitamine A. Maintenant, quand vous prenez également euh, la vitamine, la vitamine C. La vitamine C, les aliments de référence, ce sont des aliments comme l'orange. Et là également, quand vous comparez la teneur à vitamine C du moringa, le moringa est très riche, beaucoup plus riche que l'orange et le citron en vitamine C. Maintenant, quand vous prenez également du côté de, des sels-là, des sels minéraux, parmi les sels minéraux que vous avez, vous avez le, le fer. Là également, euh, quand on demande tout de suite de citer les aliments riches en fer, on a tendance à, penser aux feu de, baobab. Et là également, lorsqu'on compare la teneur en fer du, du, du, moringa, le moringa est beaucoup plus riche que les feuilles de baobab en, fer. également, le, parmi les sels minéraux, vous trouvez également du, du calcium. Et le calcium, l'aliment de référence ça, c'est le lait. Et vous avez autant de, autant de calcium dans le lait que dans le, que dans le moringa. Et pour terminer avec les sels minéraux, vous avez également un sel minéraux, notamment le potassium. Quand on parle de potassium, l'aliment de référence qu'on cite, c'est généralement la, la banane. Et là également, quand on compare la teneur en potassium de la banane, le euh, moringa, est beaucoup plus riche que la banane en potassium. Ça, c'est du côté des vitamines et des sels minéraux. En plus de ça, le mora a une caractéristique que les autres feuilles n'ont pas. Parce que habituellement, les feuilles sont riches, sont pauvres en protéines. Et là, euh, miracle de la nature, le moringa est très riche en protéines. Vraiment, c'est une, c'est une plante, une feuille qui apporte des protéines, alors que habituellement, je l'ai dit, des feuilles n'apportent pas de, de, protéines. Parce que quand vous prenez 100 grammes de moringa, vous avez à peu près 20 à 30 grammes de, de protéines, ce qui n'est pas négligeable, parce que ces 20 à 30 grammes, c'est à peu près les mêmes proportions qu'on retrouve dans des aliments de référence comme la viande, comme la, comme le, comme le poisson, pour dire que le moringa est une, est un aliment également riche en, en protéines. Maintenant, en plus de ça, richesse en vitamines et en sels minéraux. L'autre caractéristique qui fait que le moringa est préconisé, notamment, c'est sa teneur en ce qu'on appelle des phytomicronutriments. Les phyto-micronutriments sont des substances qu'on retrouve en petite quantité qui ont des effets bénéfiques pour la santé. C'est ainsi qu'on a découvert des phyto-micronutriments dans le moringa qui permettent d'abaisser, par exemple, le taux, de, le taux de cholestérol. Et on sait que le taux de cholestérol est en relation avec euh, souvent les maladies cardiovasculaires. On a également euh, remarqué que dans le moringa, vous avez des fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires également jouent dans la prévention d'un certain nombre de maladies. Et c'est ce qui fait que le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies comme les maladies cardiovasculaires et des maladies comme le cancer. Là également, il y a beaucoup d'études qui ont montré que euh, une consommation régulière du moringa, du, de de par sa teneur en, en et surtout en vitamine A et en vitamine C, le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies comme le cancer. Également, le moringa a des vertus antibiotiques. Vertus antibiotiques, il y a des substances qui ont été identifiées et ces substances-là ont des vertus ont des vertus antibiotiques, notamment dans le, dans le traitement de, de certains nombres de